20h, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Drame à Wakam, une pirogue de migrants a échoué ce lundi à hauteur de la mosquée de la divinité. Le dernier bilan fait état de 18 morts, 3 blessés et des disparus. Le président Macky Sall présente ses condoléances aux familles des victimes. Les sapeurs-pompiers poursuivent les recherches. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur le lieu du sinistre. Le magistrat Cherdia est officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de membre du Conseil constitutionnel 42 ans d'expérience pour ce professionnel du droit qui compte s'investir pleinement pour le rayonnement de l'institution. À 100 000 logements, le projet avance. Abdoulaye Seydou lance les travaux de construction de logements sociaux à bourg 4. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et des l'Hygiène publique annonce la fin des travaux dans 18 mois. La culture du moringa étend ses tentacules à goût du riz dans la région de Tambacounda. De la production à la commercialisation en passant par la transformation, tout est utile, rien ne se perd pour cette plante aux nombreuses vertus thérapeutiques. Bienvenue à tous. Et moi, consternation et tristesse, selon dit Dakar, une pirogue de migrants a échoué à hauteur de la mosquée de la divinité. Le bilan provisoire fait état d'une quinzaine de morts. Le président Macky Sall présente ses condoléances attristées aux familles et proches des victimes dans son compte Twitter. Le chef de l'État a exprimé sa profonde douleur suite au décès d'une quinzaine de Sénégalais dans ce naufrage d'une pirogue au large de Dakar. Entre-temps, le nombre de victimes a évolué. Aux dernières nouvelles, le bilan fait état de 18 morts, 3 blessés et des disparus. L'embarcation serait partie de Tiaroy, selon le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur le lieu du sinistre ce matin, Youssouf Kaba. Sous une fine pluie matinale, le ministre de l'Intérieur et sa délégation embarquent de la Marine nationale, destination le point de chute de la pirogue qui convoyait les candidats à l'immigration la nuit dernière. C'est ici, en face de la mosquée de la Divinité, à la plage de Wakam, sur place, la patrouille mixte de la marine accompagnée de vedettes de surveillance qui ont secouru l'embarcation en question. Il y a un dispositif qui a été euh, mis en place depuis les années 2006 euh, pour permettre de lutter contre les départs. Donc c'est une euh, mission que nous accomplissons en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. Maintenant, dans le cadre de ce dispositif-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mission de la Marine nationale est d'abord une mission de sauvetage. Parce que pour ceux qui connaissent la mer, ils savent que la mer est quand même un milieu hostile et qu'il faut éviter de s'y euh, aventurer si on n'a pas toutes les conditions et toutes les garanties de, sécurité. Le bilan reste encore lourd avec 15 morts enregistrés, même si cela n'est que provisoire. C'est la deuxième fois en quelques semaines que nous découvrons euh, le chavirement d'une pirogue avec un bilan très lourd. Euh, aujourd'hui, nous déplorons la découverte déjà de 15 euh, corps sans vie et euh, trois autres victimes non décédées, qui sont donc des victimes prises en charge au moment où nous parlons. C'est un phénomène, je le disais tantôt, très complexe, avec des causes variées, dont celles économiques naturellement, mais d'autres liées plus spécifiquement euh, à la tradition migratoire de certaines zones. Euh, c'est douloureux, très douloureux de constater euh, autant de décès pour notre pays, mais il est certain qu'avec la mise en service prochaine du plan opérationnel 2023-2033, nous nous attendons à des résultats probants quant à la prise en charge donc, de l'immigration irrégulière telle que nous la connaissons. La provenance de cette embarcation et sa composition restent encore floues en attendant la conclusion des enquêtes. Mais tout porte à croire qu'elle proviendrait de Tiaroy, d'après les autorités. Il y a toujours les premiers renseignements que nous recueillons. Mais il faut rester prudent. Il faut rester prudent pour ne pas trop euh, s'avancer euh, en spéculation et faire des déclarations qui seraient plus tard contredites par les résultats de l'enquête. Au moment où nous parlons, euh, les premières informations font état de la provenance de la pirogue à partir de Tcharoï en ayant fait escale à Yarak mais tout cela est encore provisoire. Le rêve s'est terminé ici pour ces nombreux candidats à l'immigration. Triste histoire qui a emporté des centaines et des centaines de jeunes sénégalais. Sauf qu'à bas sur le terrain, les sapeurs-pompiers, les populations se mobilisent euh, depuis des heures du matin pour secourir les rescapés. Euh, les recherches se poursuivent malgré le temps pluvieux. Ramatadem. Plage de Wakam, près de la mosquée de la divinité, sous un ciel menaçant. Ce matin, les populations locales, sapeurs-pompiers, gendarmes, se sont tous mobilisés à la plage à la recherche de survivants. Une pirogue a chaviré vers 2 heures du matin. Il s'agit, selon des informations, d'une pirogue avec à son bord de nombreux candidats à l'immigration irrégulière. Ce matin, aux environs de 3h30, on nous a alertés pour un chavirement de pirogue au large de Wakam, à hauteur de la mosquée de la Divinité. Immédiatement, on a dépêché sur les lieux deux équipes de plongeurs et quatre ambulances et on a démarré les opérations. Donc sur les lieux, on a trouvé trois corps sans vie et deux rescapés. Les deux rescapés avaient été évacués par les gendarmes. Les trois corps sans vie, on les a évacués par nos moyens. Donc, euh, de 7 heures jusqu'à 10 h on a poursuivi les opérations de recherche. Et au total, on a dénombré encore 12 autres corps sans vie. Donc, ce qui fait un total de 17 victimes, dont 15 corps sans vie et deux rescapés. Donc euh, tous les corps sans vie ont été évacués vers les structures sanitaires, notamment l'hôpital militaire de Wakam, l'hôpital de Fan, l'hôpital d'Aladjam et le centre de santé de Yombol. Selon les populations locales, une seule explication est possible. Ils ne maîtrisent pas la mer, euh, surtout ici à Wakam. Ici, il y a des zones dangereuses. Si vous y passez, vous risquez de cogner votre embarcation sur les rochers, ce qui peut renverser la pirogue. Les passagers peuvent ainsi se retrouver entre les rochers, ce qui est dangereux. En plus des 17 corps repêchés, aucune autre information sur les survivants n'est disponible. L'effectif de la pirogue est pour le moment inconnu. Pour l'instant, on ne sait pas euh, d'où est-ce que venait la pirogue. On n'a pas encore ces informations. On ne sait pas non plus combien de personnes il y avait à bord de cette pirogue. Voilà. On sait qu'il y a eu des survivants qui se sont, qui on sait pas, qui se sont échappés, qui ont eu peur certainement. Donc, pour l'instant, on n'a pas les informations vraiment qui peuvent nous permettre de dire combien il y avait de personnes euh, dans cette pirogue et d'où elles venaient. Un réveil brutal pour les populations de Wakam qui restent aux côtés des sapeurs-pompiers pour poursuivre les recherches. L'embarcation a échoué vers 2 h du matin au large de Wakam, sa destination l'Espagne. Malheureusement, avec la surveillance aux frontières, les candidats à l'immigration irrégulière ont dit rebrousser chemin, manque d'expérience. Le bateau a raté son entrée ici, à Wakam. Suivons ici les explications du gestionnaire du quai de pêche de Wakam. Espagne mais mais instant problème la vers La pirogue se dirigeait vers l'Espagne, mais a rencontré quelques difficultés. On nous a appelés vers 2 h du matin. C'était une douloureuse réalité. Tout le monde était déjà mobilisé à notre arrivée. Les sapeurs-pompiers, gendarmes et autres. Ils étaient jeunes tous. Ils voulaient tous aller en Espagne ñëpp fii lañ leen génnee suñ kanam mat na ay 17 personnes kenn ki Touba la dëkk. Les sapeurs-pompiers ont sorti les corps devant nous. Certains rescapés ont été à l'hôpital. Il y a un qui vient de Touba, un autre euh, de Mbao. Parce que oññi nañ le capitaine bi ñu ngi à la banque bi fii dafa am nu mu tëddee da ngay am yoon yooyu génnee am ay entrée am ay sortie Ici, il faut maîtriser ce coin de la mer. Ce n'est pas évident pour ceux qui n'habitent pas la zone. La pirogue, on ne connaît pas sa provenance. En les voyant, on sent qu'ils n'ont pas duré en mer. On sent qu'ils ne sont pas habitués à aller en mer. Certains d'entre eux disent qu'ils étaient 50 à 60 personnes dans la pirogue. Mais je ne sais pas si c'est vrai. personnes. Voilà ce qu'il fallait retenir à propos de ce drame survenu à Wakam. Le magistrat Cher Ndiaye, installé officiellement dans ses nouvelles fonctions de membre du Conseil constitutionnel avec ses 42 ans d'expérience dans la magistrature, le droit international et le contentieux électoral, il compte s'investir pleinement pour le rayonnement de l'institution Moussa Devant ses pairs du Conseil constitutionnel et devant le peuple souverain, le magistrat Cheikh Ndiaye a prêté serment. Il jure. Bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Titulaire d'une maîtrise en droit privé option judiciaire avec la mention bien à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1980, il entre à l'école nationale d'administration et de magistrature où il sortira comme magistrat en juin 1982. Il prend sa nomination avec philosophie et sérénité. Cette confiance qui vient de m'être euh, euh, manifestée euh, implique de ma part une, lourde responsabilité au service du peuple sénégalais et je m'évertuerai, je m'emploierai à mériter cette, cette confiance-là et à, à œuvrer dans le sens qui est tracé par les textes. Magistrat hors pair, il a servi dans beaucoup de juridictions du pays. Il a aussi travaillé dans plusieurs institutions internationales. Avec une riche expérience, ce magistrat est aussi un expert international dans des domaines variés du droit et du contentieux électoral. Il compte mettre son expérience au service de l'institution. Le Conseil constitutionnel est une juridiction collégiale, euh, euh, qui évolue en fonction de euh, l'expiration des mandats des uns et des autres. Donc, il est appelé à se renouveler périodiquement. Euh, donc euh, ma nomination va juste contribuer à euh, me, fondre, m'insérer dans, dans, dans, ce collectif et à participer aux délibérations et à la vie de l'institution. Comme septième membre, il rejoint le Conseil constitutionnel à quelques mois de l'élection présidentielle un organe dont le rôle est central et qui juge de la régularité des consultations nationales. Pour bien comprendre les décisions prises par le Conseil constitutionnel, le magistrat pense qu'il faut accentuer la communication. Oh, on est magistrat, mais on est également citoyen. On voit des décisions, des, euh, des commentaires euh, de, de, journaux, mais on sent très clairement que c'est parce qu'ils n'ont pas compris, c'est parce qu'ils n'ont pas, qu'ils saisissent pas la réalité de ce qui s'est passé. Donc, peut-être un effort de communication peut être fait. Ça ne peut que qu'ajouter à la transparence. Auparavant, le président du Conseil constitutionnel a rendu un vibrant hommage au professeur Seydou Nouroutal dont le mandat est arrivé à terme. Il a aussi félicité le magistrat Aminata Lindjay, qui est devenu vice-président du Conseil constitutionnel. Je vous l'annonçais en début de journal, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a procédé au lancement des travaux de construction de logements sociaux à Bourg 4. Ce projet s'inscrit dans le programme des 100 000 logements du chef de l'État. La fin des travaux est prévue dans 18 mois, nous dit Aïssatou François Sec. Il est situé à Bourg 4, dans la commune de Kermousse, à 4 km de l'aéroport international Blesdiagne. Ce site va abriter une diversité de logements. 148 hectares sont prévus pour la construction de près de 750 logements. Il va accueillir 2051 logements de type F3 de 60 mètres carrés habitables destinés aux familles à revenus faibles et irréguliers. De plus, 942 logements économiques de type F4 de 80 mètres carrés habitables seront construits par la, pour la diaspora, renforçant ainsi les liens avec nos concitoyens établis à l'étranger. Enfin, 731 logements de standing de type F5 de 163 mètres carrés habitables seront érigés pour la classe moyenne, leur offrant un cadre de vie à la hauteur de leurs aspirations. La sécurité des habitants est également une priorité avec la conception de logements répondant aux normes de sécurité les plus élevées, permettant l'isolement des structures de chaque logement. En plus de ces habitations aux normes adaptées, le site devrait offrir un cadre exceptionnel aux occupants avec des opportunités commerciales, un vrai modèle de vie urbaine. Trois réserves de parking, six équipements scolaires, sept équipements commerciaux, deux postes de santé, deux terrains de sport multifonctionnels, un équipement administratif, une école de formation professionnelle, deux maisons de la jeunesse et de la femme, une clinique, une école coranique, trois réserves d'équipement en cas de besoin. Les populations de Thiès sont très reconnaissantes à M. le Président de la République pour cette offre futuriste et cet espace d'aménagement concerté et conçu pour que les différentes couches puissent vivre harmonieusement et cordialement. Ce projet, qui vient concrétiser les recommandations du chef de l'État, va utiliser la main-d'œuvre locale. La durée de réalisation est de 18 mois. D'autres habitations seront construites dans la cité du rail pour résorber le déficit en logement. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les ménages sénégalais. En attendant la réunion du Conseil exécutif des transports urbains durables, les missions de la structure défis, enjeux et mobilité ont été partagées avec les acteurs Dakar, Thiès et Mbourg. Vont bientôt constituer une agglomération vu l'expansion de ces villes, d'où la présence du CETUD dans ces zones. Le CETUD se déploie à Thiès. Les acteurs ont échangé sur les défis et enjeux de la mobilité urbaine dans la capitale du rail, les projets sur l'extension des missions du Conseil exécutif des transports urbains durables ont été présentés. Nous avons l'extension du périmètre d'intervention du CETUD à la région de Chess euh, et le renforcement de ses missions pour euh, une meilleure prise en charge des questions de mobilité urbaine tenant compte du contexte de conurbation entre Thiès, Dakar et Mbour, bien documenté dans le, euh, le PNADT. Et euh, nous sommes toujours à la disposition des collectivités territoriales dans les autres régions euh, en, en, ayant en perspective des interventions efficaces pour transformer nos villes. Ce CRD était donc l'occasion pour la structure de revenir sur le contexte de la nouvelle loi qui régit le CETUD, mais surtout de voir comment fournir aux populations une mobilité sûre et efficace. L'objectif simplement, c'est euh, de rééquilibrer euh, nos fonctions territoriales. Vous savez que Dakar concentre aujourd'hui l'essentiel de la population, c'est quasiment euh, le, quart de la population sénégalaise, une forte proportion de, de l'économie. Euh, et dans cette logique d'aménagement équilibré euh, du territoire que le chef de l'État appelle de ses voeux, euh, vous avez vu que, que c'est très concret. Il y a le TER qui, dans sa troisième phase, va permettre de relier depuis Dakar, Thiès et Et nous sommes là pour accompagner ces dynamiques territoriales avec des projets capacitaires surtout, des projets de BRT, euh, certainement demain euh, des tramways, mais il faut préparer tout ça aujourd'hui. Et ce n'est pas un rêve, c'est à et c'est comme ça aussi qu'on voit le développement du Sénégal. Le développement du Sénégal qui nécessite une préparation en amont. Une préparation qui ne va pas uniquement se limiter au niveau donc des, des voiries ou bien des moyens de transport, mais ça va au-delà. Il nous faut préparer les usagers préparer au changement de mentalité, de comportement des usagers. On a beau mettre en place les plus grandes voiries, les plus modernes, si les comportements ne changent pas, l'utilisation de ces voiries-là vont, poser problème. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure, il y a un volet important de, de, de, formation euh, des ressources humaines, j'allais dire même des usagers de tous ces moyens-là. La présence du cetu à va participer à rendre fluide la gestion des flux. Après Thiès, le département de Mbourg sera la prochaine étape. Dans le sud, le DAC de CEFA, commune de Koussi, région de Sédiou, vient d'abriter la cérémonie nationale de lancement du projet d'appui à la production agricole des domaines agricoles communautaires Papadac. Le projet vise l'accompagnement des producteurs pour augmenter la superficie et la qualité de production. La création d'emplois y est également recherchée, nous dit Abdoulaye Sikare. Vraiment, nous souhaitons un plein succès à ce projet-là pour que soit devant. Merci beaucoup. Par ces mots, le préfet de CEU lance officiellement le Papadak, projet d'appui à la production agricole des domaines agricoles communautaires, un projet de l'État du Sénégal pour accompagner les producteurs des 11 DAC du pays. Nous avons tenu vraiment à lancer cette initiative ici au niveau du DEC de CFA, parce que le DEC de CFA est notre premier DEC. C'est aujourd'hui notre, notre DEC vitrine. En tout cas, euh, il s'agit donc d'une campagne hivernale pour accompagner les producteurs. Et à terme, il s'agit d'accompagner 3 950 bénéficiaires pour plus de 6 000 hectares de terre. ce projet permettra euh, de créer ou de maintenir plus de 25 900 emplois saisonniers. L'objectif du Papadac est d'emblaver cette année 6 478 hectares de terre pour récolter près de 11 000 tonnes de produits agricoles. Dans le DAC de Séduit, ils sont 1100 producteurs à y trouver leur compte, une initiative saluée au niveau local. Ça va booster les activités agricoles au sein de la commune et ça va générer, Inch'Allah, beaucoup d'emplois. Et là, ça va permettre aux jeunes vraiment euh, de s'y voir et de travailler pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Nous constatons ces dernières euh, semaines, ces derniers mois, à une recrudescence euh, du fléau que conçut euh, l'immigration clandestine. Nous espérons également qu'avec des initiatives pareilles qui seront portées par tout le monde, cela constituera euh, une solution pour maintenir les jeunes au niveau des localités. L'objet de cette cérémonie, c'est aussi le lancement officiel du projet de stade d'incubation des jeunes entrepreneurs agricoles enrôlés dans les DAC de Sédiou, Luga et Kédougou. Pendant un an, ils seront formés aux métiers agricoles. Laissez-moi vous dire, monsieur, que vous êtes en train d'accomplir sans faute cette vision du chef de l'État qui est de répondre favorablement aux besoins de la jeunesse, surtout en matière d'emploi. Et le lancement de cette journée est l'illustration parfaite de l'importance que vous accordez à notre stage, mais aussi de vos soucis pour la jeunesse en matière d'emploi. Raison pour laquelle, au nom des 50 stagiaires du DAC de CFA, nous vous remercions de nous avoir permis de bénéficier de ce stage. Nous envisageons de former plus de 300 jeunes au niveau de nos à, principalement à CFA, Kermomarsar, à Itato, ce qui va générer en, 2000, euh, en 2024 1200 emplois. Et nous allons, nous allons monter en puissance en 2024, euh, Inch'Allah, pour en tout cas incuber 1500 jeunes et à terme cela va permettre de créer 6000 emplois. En marge de cette activité, les groupements de femmes accompagnés dans le cadre du projet Tolutigeni ont reçu des chèques de financement de montant total de plus de 2 millions de francs CFA. Pour la construction de la mosquée de Poussy, le coordinateur national du PRODAC a apporté sa contribution de 10 tonnes de ciment. Le lancement du Papadak euh, dans le Sud, un reportage signé Michel Mendy au même moment, une mission du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal pakassène séjourne à Matam, occasion pour la délégation d'échanger avec l'équipe municipale, mais aussi de visiter euh, le marché central de Matam et le poste de santé de Navel, des réalisations faites euh, dans la commune grâce à ce programme. Sur place, nous retrouvons Safora Sow. Si Matam a pu avoir ce marché central, c'est grâce au programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN. Parmi les autres retombées, le poste de santé en construction à Nawel. Des réalisations qui répondent à des besoins. PACASEN nous a permis d'être inclusifs, d'être autonomes. Et au niveau, local aussi, on dit aux populations, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on investisse au niveau de vos quartiers, au niveau du territoire communal. C'est ce qu'on a fait au niveau des marchés avec euh, vraiment la participation citoyenne de l'ensemble des acteurs des usagers, surtout les commerçants. Nous, au départ, on nous a dit que nous, on voudrions mettre en place un nouveau marché, construire un nouveau marché. Quels sont vos besoins Ils ont décliné leurs besoins et on a excusé leurs besoins. De même aussi qu'au niveau de poste santé, vous savez que Neville, c'est un quartier un peu excentré au niveau de la ville. Nous sommes heureux de constater qu'ici à Mantam que les ressources qui ont été allouées à la commune de Mantam ont été utilisées dans des investissements qui ont un impact réel dans, le vécu des populations, notamment la construction d'un marché et aussi ici euh, la construction d'un centre de santé. Ça nous réconforte parce que le programme arrive à terme en juin 2024 et le gouvernement du Sénégal est en train de discuter avec ses partenaires, dont la Banque mondiale et l'Agence française de développement, pour un financement additionnel pour permettre une continuité de ce programme qui est en train de révolutionner le visage des collectivités territoriales. Sur près de 600 collectivités, seules 124 ont été sélectionnées. Matam fait donc partie des communes ayant rempli tous les critères. La commune de Matam a eu à respecter ces critères-là, a eu des ressources et les a investis dans des secteurs clés. Et nos échanges avec les autorités locales, euh, ce sont des échanges très fructueux. Ils sont très contents de la mise en œuvre du PACASEN. Ils ne demandent que la continuité de ce programme au grand bénéfice des populations de Matam. Il faut, avant d'attribuer les marchés, il faut respecter les procédures de passation. Avant aussi de, qui, pour chaque année au plus tard, il faut voter le budget à temps, c'est-à-dire le respect du Code général des collectivités territoriales. Le programme tire donc à sa fin, mais le plaidoyer a déjà commencé. L'accompagnement est bénéfique et les acquis considérables. Le PACASEN doit se poursuivre. Autosuffisance en petits ruminants, Taïbanyasen montre euh, la voie pour booster euh, la production ovine, ceci grâce à l'initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. À terme, 250 communes du Sénégal euh, sont visées pour renforcer la résilience des populations ciblées. Contribuer à l'augmentation de 30% de l'offre nationale de moutons, booster la production, aussi la productivité ovine dans les 10 régions cibles d'ici septembre 2027. C'est l'objectif visé par le projet IMAM, Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. La vision renforcée, la résilience des populations bénéficiaires. C'est un projet, comme son nom l'indique, porté par l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Pour être, euh, il faut d'abord que euh, la commune, à travers le maire, signe une lettre d'engagement un engagement à verser euh, une contribution minimale annuelle de 3 millions de francs par an pendant la durée du projet. Après cette lettre d'engagement, euh, le maire signe une convention avec l'ONG IFE. À ce niveau, le maire est déjà dans le projet, la commune est dans le projet. Et on l'appuie à mettre en place euh, des comités locaux de pilotage du projet. Et c'est ça l'intérêt du projet. C'est l'approche responsabilisation des collectivités territoriales qui fait que les collectivités territoriales prennent en charge leur propre transformation. Permettre aux communes de prendre en charge leur propre transformation, Taïba Niassène se veut un exemple. La première phase déroulée a fini de convaincre du fait des résultats obtenus. Pour cette deuxième phase, 25 bénéficiaires sont enrôlés. Nous, nous sommes les premiers donc, à, opérationnaliser parce que le lancement avait été fait donc, euh, au niveau de Gundian, donc il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, il s'agit d'opérationnaliser. De, donc on a pris dans le budget 3 millions qu'on a inscrits et qu'on a engagés. Ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir enrôler 3 millions, 3 millions supplémentaires qui nous permet aujourd'hui de, de toucher 25 nouveaux bénéficiaires. Dans la démarche, le ministère de l'élevage et des productions animales se veut un partenaire stratégique. Pour le ministère de l'élevage, comme ça fait partie de ses objectifs par rapport à l'aide de politique sectorielle, qui est d'améliorer la productivité et augmenter aussi la productivité. Donc le ministère va apporter les géniteurs, c'est-à-dire les mâles, qui vont contribuer à l'amélioration de la race. Il va construire aussi les bergeries. Donc ce sont les infrastructures qui vont abriter ces géniteurs pour lutter contre le vol de bétail et sécuriser les animaux. Pour les bénéficiaires, l'appui est de taille, notamment dans ce contexte économique difficile. Nous sommes très contentes de bénéficier de ce projet. Vraiment, cela va beaucoup nous aider. On avait déjà des sujets femelles à la maison. Ces mâles vont permettre d'augmenter la production assez rapidement. Nous allons pouvoir nous prendre en charge et aider nos maris. Au-delà de la commune de taïwan le projet vise 250 communes du Sénégal. Quelques 121 410 ménages sont ciblés avec un impact direct ou indirect sur 1 214 100 individus. L'ambition est d'arriver à avoir 242 828 béliers d'ici à fin 2027. Le moringa ou nebeda est une plante très prisée à Tambacounda, de la production à la commercialisation en passant par la transformation, tout est utile. Vous allez le voir, rien ne se perd pour cette plante aux nombreuses vertus thérapeutiques. L'exemple de la ferme Experna de Goudiri, visitée par Turodia. Goudiri. Ici, la culture du moringa est d'une importance capitale. Les feuilles sont utilisées pour enrichir les sauces, l'huile pour la cosmétique et les marinades et les tiges transformées pour l'aliment volaille. Ceux qui sont aujourd'hui dans la crise du, prix euh, euh, euh, du sac d'aliments volaille, euh, ils, sachent qu'ils peuvent remplacer une partie de leur aliment par le moringa. Et, et leurs poulets vont avoir un meilleur goût et une meilleure qualité et, va être beaucoup plus charnu parce que nous avons tenté l'expérience et il y a des études de, doctorants qui l'ont prouvé que l'alimentation des, poulets par le moringa donne de la force à ces poulets-là, donne une chair savoureuse. Moi-même, j'en ai, consommé, j'en ai utilisé. Euh, j'ai testé des poussins avec qui ont grandi et qui ont donné de très bons résultats. Le goût est extraordinaire. C'est comme les poulets du pays. Cette ferme Esternan s'est spécialisée dans la culture du moringa. Les plants et les produits dérivés de l'espèce végétale sont exportés nous vendons au Sénégal particulièrement parce que c'est le premier marché de l'export pour nous. Nous vendons également à Goudiri. Les gens viennent d'eux-mêmes acheter. Il y a donc les clients euh, individuels qui viennent d'eux-mêmes acheter euh, la poudre de Moringa ici pour les vertus. Mais également, il y a des magasins euh, qui viennent aussi prendre chez nous et nous-mêmes nous assurons une partie de la distribution. Mais nous sommes en, négociation avec euh, d'autres partenaires dans la grande distribution afin que le produit puisse être présent et à moindre coût, euh, qu'il soit le plus compétitif pour qu'on euh, puisse le trouver dans tous les rayons de supermarchés ou ailleurs au Sénégal. Et ensuite, on a d'autres partenaires qui, sont intéressés et qui viennent pour le Canada également, pour la France et l'Allemagne. Voici les trois pays où la France est déjà envoyée, pour l'Allemagne, c'est déjà envoyé. Le Canada, vous avez vous-même rencontré les partenaires qui sont arrivés ce matin. Le moringa peut être une solution pour l'éradication de certains problèmes de santé publique, comme la malnutrition. Au moins 80%, il paraît selon, certains, euh, euh, de nutriments, euh, de nos besoins sont satisfaits en consommant du moringa. Parce qu'il a plus de vitamine C que, pas mal d'autres produits. il a également beaucoup plus de, trois fois, je crois, plus de de, comment on appelle ça, de calcium que dans le lait. Euh, un 100 grammes de, de, moringa équivaut à 1 kg de beefsteak, ainsi de suite. Donc on a énormément de fer. Euh, ça veut dire que c'est une alternative euh, pour les ménages les, les plus pauvres. Cette activité agricole est devenue une source de richesse pour les femmes de Goudiri. Ces dernières travaillent ici depuis 5 ans pour subvenir aux besoins de leur famille. On gagne beaucoup d'argent ici. On garde une partie comme épargne. L'autre sert à financer les besoins des enfants, scolarité, fourniture, entre autres. <laughs> La femme rurale sénégalaise ou même la femme urbaine euh, au Sénégal, nous sommes, tous d'accord, ce sont des battantes. Quand vous voulez réussir un projet et que vous le, faites en profondeur et que vous travaillez avec les femmes, vous vous assurez du succès. Seulement, il faut les respecter. Quand vous les respectez, vous leur donnez euh, euh, la confiance qu'il faut, vous leur montrez le chemin, et pour leur propre intérêt, pas pour son intérêt personnel, elles vous font des résultats incroyables. Cette pépinière est totalement entretenue par les femmes. Elles sont présentes sur toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation. Direction Matam pour parler de Réunion Le conseil départemental de Canel vient de lancer la deuxième phase de la formation en permis de conduire. Cette phase compte un total de 200 bénéficiaires, des jeunes pour la plupart. Ibrahima Pabijif. Ils sont environ 200 jeunes ici de ce département de Canel à bénéficier de cette deuxième phase de formation. Un nombre qui va s'ajouter au premier lot de jeunes ayant bénéficier de la phase 1 du, programme. L'idée est venue de, notre partenaire euh, CCVD. CCVD, c'est dans le Drôme, en France. premier programme, c'était 200 jeunes. 200, euh, sur 200 jeunes qu'on a en relais, on a 95 euh, de, réussite. Il y avait tellement en argument, il fallait faire un, deuxième programme. Quand on a contacté nos, partenaires, ils ont dit tout de suite, on le fasse. Un projet qui va fortement contribuer à l'employabilité des fils et filles du département, mais aussi qui va contribuer à lutter contre le chômage des jeunes du département. L'action du Conseil départemental de Canel s'inscrit en parfaite ligne avec la politique de l'État du Sénégal et la vision du président de la République, qui est l'initiateur du programme Koyundawi qui a déjà enrôlé plus de 65 000 jeunes. L'ensemble des acteurs se sont réjouis de cette initiative. Cette deuxième phase du programme a comme nouveauté l'inclusion du permis à poids lourd. Celui qui veut s'inscrire pour faire un poids lourd, il peut le faire. Celui qui veut s'inscrire pour faire euh, transport en commun, il peut le faire. Mais l'idéal, c'est d'avoir d'abord le, permis léger. En France, quand tu cherches un boulot, euh, ta licence, bac plus 5, la première chose qu'on te demande, si tu as ton permis. aujourd'hui, la PDT est très fière d'être partenaire euh, du conseil départemental et, et, très fière aussi de représenter la CCVD au niveau du Sénégal. Les bénéficiaires, pour leur part, ont exprimé leur satisfaction, le conseil départemental de Canel compte pérenniser ce programme avec ses partenaires. Le but recherché, accompagner l'État du Sénégal dans sa politique d'employabilité des jeunes. Dans l'actualité sportive, le Sénégal prend part aux Jeux de la francophonie qui se dérouleront au Congo-Kinshasa du 28 juillet au 6 août avec euh, des représentants aussi bien euh, des sports que de la culture. Ils reçoivent actuellement le drapeau national euh, des mains du Premier ministre, ministre des Sports. La cérémonie se déroule actuellement au Musée des civilisations noires. Génération Foot euh, champion du Sénégal pour euh, la troisième fois de son histoire. Les Grenades ont euh, reçu leur trophée hier à Denis Biram d'Awa, l'issue de la 25e journée. Après la cérémonie, les représentants, les responsables justement, étaient sur le plateau de la RTS pour un galaxie spécial. Madi Touré et le coach Baladjiba sont revenus sur une saison riche et pleine de rebondissements. Les voici. On était un jeune staff, sincèrement, un jeune staff qui était composé de Mathurin, Bala, Moussa Ndiaye, Khadim Faye, il y a Mamor, il y a aussi Pané. Donc, qu'une académie comme Génération Foot vous fasse confiance, c'est vraiment merci beaucoup, Président. Donc, pour la saison, c'était difficile en début. Là, on le savait parce qu'on avait nos joueurs qui étaient tout le temps en sélection. On n'avait pas tout le groupe. Donc ensuite, on savait que ça allait être difficile. En plus, avec les départs de Lamine, Papa et, l'autre, ça, a été très compliqué. Mais en milieu de saison, en deuxième phase, on s'est concentré entre nous les dirigeants et c'est tombé avec le retour de nos internationaux qui sont venus avec des trophées. Donc on savait qu'à partir de là, avec la confiance qu'ils ont, le volume de jeu qu'ils ont, et eh, le travail de l'encadrement technique qui est là, on savait que ça, allait, ça allait donner quelque chose. Donc après, les gosses, ils se sont fait confiance. Ils, nous ont dit, mais coach, c'est pas grave, on va gagner toutes les équipes qui nous ont gagné à l'aller. Après, on va faire le décompte. Après, on a pris match par match, on a travaillé et c'est venu. Ce qui nous a valu aujourd'hui ces résultats, nous avons des hommes forts ici à Génération Foot. Dans tous les domaines, on parle du président, mais moi, je, l'ai toujours dit, dans chaque domaine, il y a un président. Quand je prends les staffs, nous avons un président, il faut le reconnaître, Abdoulaye Sarr, qui fait partie des icônes du football. Quand on parle de la communication, Tala, aujourd'hui, on, le voit en tant que consultant, mais c'est un ancien joueur. Donc c'est tout un ensemble aujourd'hui qui a fait aujourd'hui les résultats de Génération Foot. et aujourd'hui, pour ma part, je suis heureux aujourd'hui de voir l'évolution de Génération Foot. Aujourd'hui, nous avons euh, combien de joueurs Plus de 130 joueurs. Et chaque génération a pu écrire sa, propre page d'histoire. Mm-hmm. C'est ça qui a valu aujourd'hui cette réussite, parce que dans un club, il faut, c'est vrai, il faut avoir un commandant, mm-hmm. mais notre force aujourd'hui, on est bien organisation, euh, on est bien organisé, il y a une bonne organisation à tous les plans. À l'occasion de cette émission spéciale, le Desk Sport a reçu Diafra Safo, international et ancien pensionnaire de Génération Foot. Il a annoncé en exclusivité qu'il allait mettre un terme à sa carrière en raison de douleurs récurrentes au dos. On l'écoute. Je suis toujours sous contrat. Sous contrat, il me reste encore une année. Mhm. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que euh, j'ai eu beaucoup de de pépins, hein, de blessures, de... vous avez décidé d'arrêter Oui, oui, oui, oui j'ai décidé d'arrêter ma, carrière définitivement et euh, je dois même retourner pour en discuter avec eux. Et euh, euh, par rapport à mon dos, j'ai eu beaucoup, beaucoup trop de, blessures, de souffrances. Mhm. Même si les gens ne le voient pas, mais moi, personnellement, j'en souffre et j'ai pas envie de, de prendre l'argent du club et après de rester six mois, cinq mois sans jouer, c'est c'est pas ça le plus motivant quoi. Voilà, c'est pour ça j'ai je sais que j'ai pas dit à ma famille, après peut-être qu'ils vont le voir à la télé, mais voilà c'est ça. Euh, vous pourrez suivre l'émission Galaxy Sport spéciale Génération Foot après le JT de 20h. Joueurs, membres du staff et dirigeants ont participé à l'émission en compagnie du desk de l'émission 90 minutes comme dans un match de football sport, euh, toujours euh, préparation de l'afro-basket féminin. Le Sénégal a été battu hier sur le fil par le Mozambique en amical à Kigali, score 70 à 69. En football, Génération Foot a reçu hier son trophée de champion du Sénégal. Les Grenats ont dominé Dakar, Sacré-Cœur en but à zéro lors euh, de la 25e journée de Ligue On en parle tout de suite dans Actu Sport Express. Une défaite pour le premier match de préparation des Lyons. Elles sont arrivées au Rwanda samedi avant d'enchaîner avec une rencontre hier face au Mozambique à la Kigali Arena. Match serré, perdu avec un point d'écart. L'ailière Sornofatou Jassila s'est blessée en cours de partie et ne participera pas à l'Afrobasket. Elle est remplacée par Gensen qui rejoindra le groupe demain au Rwanda et de 3 pour Génération Foot en Ligue 1. Un troisième sacre bien fêté à Denis Biramdao, une belle communion entre joueurs, supporters et dirigeants. À domicile, les Grenats ont dominé Dakar Sacré-Cœur à l'occasion de la 25e journée. L'unique but du match est marqué par Idriss Gueye à l'heure de jeu. Un magnifique enchaînement du pied gauche. Ismaël Sarr à l'Olympique de Marseille. L'international sénégalais a passé sa visite médicale ce lundi selon RMC Sport. Le désormais ex-joueur de Watford devrait signer un contrat de 5 ans, montant du transfert 11 millions d'euros, environ plus de 7 milliards de francs CFA. Coupe du monde féminine en Australie et Nouvelle-Zélande. L'Allemagne toujours fidèle à sa réputation de machine à gagner. Elle a été sans pitié devant le Maroc, un large succès de 6 buts à 0, match content pour la première journée dans la poule H. Mais sa défense est, très passive. Actu Sport Express signé Ibrahim Mbopan, pétant que la Coupe du maire de Dieppe a été remportée ce week-end par la doublette Sal, Babacar Dondé, 152 Boulis sont pris part au tournoi. Retour sur ses rencontres avec Jacob Nir et Fatmata Savané. Il est 13h au boulodrome Pape Aronagagne Diagne Derclé. Le jet de bouchon est effectué par le maire de Dieppel Derclé Castor. Sergueï a accueilli les acteurs de la pétanque dans sa commune. Des matchs disputés entre protagonistes. À travers les couloirs, l'excellence s'est illustrée. 150 joueurs ont pris part à ce tournoi. Ils sont issus de tous les clubs du Sénégal. La Coupe du maire est mise en jeu. Le boulodrome Papa Arona Diagne a connu une effervescence ce dimanche. Auparavant, il y a eu des matchs de poule en matinée en guise de préliminaire. Des rencontres pour déterminer les quarts finalistes et demi-finalistes. Au finish, le trophée a été remporté par la doublette Matalissal Babacar Dondé, deux joueurs de l'équipe nationale sur le score de 13 à 7. La prochaine journée se jouera ce week-end à Wakam, au boulodrome de la cité à Segna, en doublette à la mêlée. j'ai de bouchons à 9h. Retour sur la principale information de ce 20h. Une pirogue de migrants a échoué à hauteur de la mosquée de la divinité. Le bilan provisoire état d'une quinzaine de morts. Le président Macky Sall présente euh, ses condoléances attristées aux familles et proches des victimes. Dans son compte Twitter, le chef de l'État a exprimé sa profonde douleur euh, suite au décès d'une quinzaine de Sénégalais dans ce naufrage d'une pirogue au large de Dakar. Le dernier bilan, justement, fait état de 15 morts et 3 rescapés. L'embarcation serait partie de Tiaroy Solo, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur le lieu du sinistre ce matin. Voilà, mesdames, messieurs, qui m'a fait cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.